Chers auditeurs des programmes du studio Kalangou, bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée Le Niger sur Kalangou. Pour vous accompagner aujourd'hui, je suis Rukai Draman à mes côtés, Mariam Adey. Bonjour Mariam, ça va Bonjour Rocky, ça va très bien. Du côté de la régie, nous avons Mustafa Ayouba et Adam Adawaki. Pour vous informer, vous divertir, nous avons concocté pour vous un programme riche. Nous avons le flash d'information, la rubrique hebdomadaire, la page sport, la rubrique portrait, de la musique 100% nigérienne. Notre invité du jour est Cheb Nori Ousseini Diogas Lamera, puis direction la capitale d'Idamagaram pour la rubrique éco de région où le gouverneur a interdit la consommation de la chicha sur l'ensemble de la région. Les femmes du studio Kalangou s'intéresse aujourd'hui à l'hygiène corporelle dans la rubrique Lotti et c'est parti pour une heure d'antenne. Chers auditeurs, nous commençons cette émission avec le flash d'informations présenté aujourd'hui par Rafika Taher. Bonjour, Bonjour Rafika. Bonjour les filles, comment vous allez Ça va bien. Alors nous ouvrons ce flash avec une note nécrologique. La communauté artistique du Niger est en deuil avec la disparition de l'humoriste Adam Ekanou qui a tiré sa révérence hier mercredi 28 février. Son talent dans ses œuvres a apporté de la joie et du rire à plusieurs générations. Que ton âme repose en paix. Ensuite, Starlink a le potentiel de révolutionner l'accès à Internet. C'est un projet du milliardaire américain Elon Musk et de sa société SpaceX. Il vise à fournir un accès Internet à haut débit à l'ensemble du globe. Le Niger n'est pas encore un pays de destination officielle, mais à la demande du gouvernement nigérien, le projet va régulariser sa situation au Niger en obtenant une licence d'exploitation du réseau et d'homologation des équipements. Une réunion en ligne est prévue le 11 mars prochain entre les experts du Niger et ceux de Starlink pour amorcer le processus. Pour plus de détails, ne manquez pas l'éducation numérique de tout à l'heure. Enfin, en sport, Sakina Alpha Hamidou, arbitre nigérienne, est sélectionnée par la Confédération africaine de football comme arbitre assistante à l'occasion du tournoi de football des Jeux africains. Des rencontres sont prévues à Accra, dans la capitale ghanéenne, du 8 au 23 mars prochain. Voilà pour le flash de ce matin. Merci Rafika. Je le disais tantôt, nous sommes avec Shaibou Nori plus connu sous le nom de Oga Slammer. Bonjour. Bonjour Bonjour. Bienvenue sur l'émission Le Niger sur Kalangou. Merci beaucoup. Voyons d'abord à musique avec les sons Mariam de Obaza. Dans cette chanson, Obaza exprime son amour pour sa belle et lucinée Mariam. C'est mon homo, comme vous l'avez remarqué. On écoute. <laughs> Maria, et ma Maria, ma Maria, Marie, tu le l'état ta Sahara. Pour un nom mon Dieu le changera. Et ta mâche gold la l'appellera. Et ma fille dire femme, Inch'Allah, Inch'Allah. Après cette pause musicale, chers auditeurs, retour au studio avec notre invité du jour, Oga Slammer. Alors, Oga, bien installé Oui, très bien. D'accord. Alors, euh, racontez-nous d'où vient ce surnom, Oga. Euh, Oga, c'est un surnom que j'ai, qui m'a été attribué dans mon adolescence. Parce que vous savez, il y a les fadas qu'on pose et qu'on anime. Donc, euh, vu que je suis l'animateur de la FADA, surtout côté financière, mhm. donc euh, voilà d'où me vient le nom Oga. Ah, Oga est généreux. <laughs> Alors, pourquoi avoir choisi le slam euh, Le slam, parce qu'à la base, à l'orphelinat, mhm. depuis le bas âge, je faisais du, de la poésie. Mhm. en tout cas, ils m'ont positionné sur une ligne directive bien précise, qui est la poésie et aussi euh, le théâtre. Et après, dans mon adolescence, j'avais connu un moment, une période euh, difficile où j'étais contraint à quitter l'orphelinat à l'âge de 14 ans. Mm-hmm. Et après, je me suis retrouvé dans la rue parce que à je j'avais pas une famille d'accueil. Mhm. Donc, euh, je me suis débrouillé seul. Et j'avais toujours cette passion que j'aimerais retrouver. J'aimerais vraiment devenir quelqu'un. Et surtout être artiste, ça mhm. me tenait beaucoup. Mhm. Et quand j'ai décidé d'embrasser une discipline parmi les arts, je me suis vu, euh, je me suis dit lequel, dans lequel je peux bien m'exprimer et je me suis dit, peut-être la poésie, vu que j'ai beaucoup écrit dans cette période difficile, j'ai beaucoup écrit mm. sur un bout de papier, sur un, et un cahier. Mm-hmm. Et je me suis dit, bon, je vais transformer ça en slam. Et vu, vu que à, l'époque, euh, il y avait Jonel et Altes qui cartonnaient mm-hmm. beaucoup mm-hmm. sur les télés et ça, ce qu'ils faisaient me, me, plaisait beaucoup et je me suis lancé et je me suis dit, ce que j'ai écrit, je vais le transformer en slam et je vais le dire euh, à un public qui m'écoute. Mhm. Racontez-nous un peu vos débuts. Vous avez commencé en quelle année Comment ça, ça s'est passé J'ai commencé en 2017. Mhm. Euh, comme je l'ai dit, d'un coup, je me suis dit, bon, je vais commencer à, écrire. Mais mhm. avant d'écrire, je me suis inscrit dans un euh, institut de la place. Et une fois, il y a la journée eh, du 8 mars, je pense. Et l'administration m'ont contacté parce qu'ils savent que je viens euh, d'un orphelinat et que j'ai un côté artistique mhm. bien nourri. Et ils m'ont dit de, de, voir mes amis avec eh, orphelin si on peut venir vraiment tenir en allèle la journée du 8 mars de l'école que l'école a organisé. Et c'est là que je suis venu à SOS, j'ai vu les, les, camarades, mais ils n'étaient pas disponibles. Et j'ai dit, bon, puisque eux, ils ne ils sont pas disponibles, je vais voir comment écrire. Et c'est là que j'ai écrit mon premier texte euh, dédié à la femme. Mhm. Et j'ai présenté ça. Maintenant, quand j'ai présenté ça, le retour que j'ai eu, mhm. je me suis dit, bon, pourquoi ne pas continuer mhm. Pourquoi ne pas tenir, continuer l'art. Et c'est de là ça a commencé en 2017. Et de là, on a commencé à rester ces parties. Quoi. <laughs> D'accord, Oga. Alors, maintenant, présentez à nos auditeurs un petit texte euh, un petit texte, bon, je vais présenter un texte que je viens d'écrire mhm. qui, sur la violence en milieu scolaire. Mhm. Goga c'est pour ses études qu'elle s'est fait inscrite pour sa réussite à l'école elle se fait instruite l'école où l'on apprend à écrire à lire et à dire l'école où l'on apprend à construire l'avenir l'école berceau du savoir l'école temple de l'espoir l'école qui réunit ethnie et religion L'école qui ne fait pas de différence entre la couleur de nos peaux. L'école qui valorise le statut de la femme et de l'homme. Cette école ne doit plus être un terrain de la discrimination ou même de la marginalisation. Yadinga mantikanse agigigi. Mantikanse agasimbar, mantikanse asidi, mantikanse asiku, mantikanse asibori no irgala kolka abine. L'école au muna de maize kulwano. Irmana ingemo l'école zure. Donc j'écris. J'écris pour dire stop. Stop au harcèlement. Stop au jeu de mots vulgaires. Stop au comportement non nécessaire. Stop parce que ça a des conséquences. Stop parce que ça n'a aucun sens. En milieu scolaire, stoppons toute violence. Dirigeants dirigés, directeurs d'école, professeurs, parents d'élèves, élèves et étudiants, unissons-nous tous ensemble. Car oui, là où il y a la volonté, se trouve un chemin suivons tous ce chemin pour faire barrière à tous ces acteurs de la violence à milieu scolaire. Stop, parce que ça a des conséquences. Stop parce que ça n'a aucun sens. Stop à milieu scolaire, stoppons toute violence. Parce que beaucoup en souffrent, beaucoup en dépriment, beaucoup sont victimes, beaucoup meurent en silence. Beaucoup meurent en silence. C'est un beau message Oga. <laughs> Alors, euh, les slammeurs au Niger, il y en a pas mal. Hein. Mais qu'est-ce qui vous démarque des autres et qu'est-ce que vous faites pour vous démarquer des autres euh, Qu'est-ce qui me démarque des autres euh, L'écriture. L'écriture, les thèmes que je touche. parce que avant même de me lancer, j'avais fait une étude de tous les slameurs, qu'ils soient confirmés ou pas. Mhm. Quels sont les thèmes que eux touchent beaucoup plus mhm. Mhm. dans leurs textes Et j'ai constaté que la majeure partie, surtout ceux qui font les scènes au CCFN, euh, touchent euh, l'amour, euh, parfois engagé. Et moi, je me suis dit, j'ai une histoire à raconter, j'ai un vécu qu'il faut dire aux gens et peut-être à travers moi mon vécu ce que j'ai vécu, les autres orphelins peuvent avoir une vie euh, presque paisible dans, mhm. dans les familles d'accueil ou bien dans les orphelinats. Donc voilà ma spécialité. Mhm. Je touche le côté où personne n'ose toucher. Mhm. Je touche des thèmes vraiment où il y a pas mal d'artistes qui oseraient toucher ce côté-là. Exemple de, euh, thème Justement, voilà. Et la délinquance juvénile, euh, le droit des orphelins, pas de l'enfant, mhm. mais des orphelins. Mhm. Et aussi, euh, l'enfance volée aussi, il y a aussi la migration. Parce que la migration, depuis euh, la old school, aujourd'hui, rares sont les artistes qui parlent de cette histoire d'immigration ou d'immigrés. Et aussi l'Union africaine, que l'Afrique s'unit ou bien elle va périr un jour. Bien. <laughs> Avant de continuer, nous allons voyager avant d'entamer la deuxième partie. Partons au State pour retrouver les titres Col dans des Big Afadi. You know that's right. Je viens de la vie, j'ai trop de rêves à préparer. J'ai travaillé, y trop de choses à ranger. Depuis petit, j'ai une mélodie, que souvenir. Je métaphore pour mon avenir et ma vie. Et cette symphonie dans ma mémoire, c'est ma mélodie. Et t'imagines un avenir sans sourire. Et cette mélodie qui me fait subir. C'est ma mélodie, c'est ma c'est ma C'est ma c'est ma mélodie, c'est ma mélodie. C'est ma mélodie, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie. C'est ma mélodie, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie. nega negai sabu Mereka menegamai sabu Iga bayi bebe sanga noru Ofane sinu noru Soja, soja Je marche avec un comme soja Haja, haja Tu dégages les carrés comme Aja abona, abana Et mon bas c'est tu vois qu'il y en a Abana, abana Sonne nation tu vois sola Mereka negai sabu Mereka menikamu isabu Ibrahim besen noru Wafan bei sin noru noru Sama melo sama melo sama melody Sama melo sama melo sama melody Sama melo sama melo sama melody Sama melo sama melo sama melody Sama melody Sama melody fidèles auditeurs, c'était Ma Mélodie de Big Fadi. Alors, Ogas Lameur, vous avez aimé ce titre Ouais. <laughs> Super, alors revenons à nos mots étant Est-ce que vous avez déjà un album ou des singles Oui, j'ai un album que j'ai fait sortir en 2019 avec un concert qui a connu un succès au CCFN, mon premier concert d'ailleurs. Des singles, j'en ai beaucoup. Et des spectacles à mon actif, euh, j'en ai aussi beaucoup. Mhm. L'album s'appelle L'album s'appelle Mon point de vue. Mhm. Mon point de vue sur tout ce qui se passe. <laughs> D'accord. Alors, dites-nous, avez-vous déjà collaboré avec d'autres artistes nigériens euh, Oui, collaboration avec d'autres artistes nigériens, oui. Euh, pas beaucoup, mais avec Altesse, mhm. sur un projet du ministère mais des projets individuels où c'est moi qui ai pensé ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a pensé, non. Non, pour le moment. Oga, est-ce que les mots vous ont fait voyager Je veux dire, est-ce que vous avez déjà participé à des compétitions en dehors, hors de nos frontières Ah oui, ça, machallah, avec euh, la grâce de Dieu, je peux dire, hein, euh, tout en étant humble, je suis l'un des slameurs qui a le plus voyagé. le deuxième peut-être. Comment ça se passe hors de nos frontières euh, Ça se passe bien là-bas, mais je pense que chez nous, c'est beaucoup mieux. Le slam chez nous va beaucoup mieux. Parce que chez nous, y a, les slameurs sont sollicités sur des événements étatiques, ONG et chaque événement, il y a un slammer d'office. Mm. Et, mais ailleurs, ils ont du mal à imposer le slam parce qu'ailleurs, il y a, y a d'autres disciplines qui cartonnent, d'autres disciplines qui s'imposent. Mm-hmm. Et, mais nous, ici, c'est le contraire. Ici, chez nous, c'est le slam. En tout cas, les gens préfèrent inviter un slameur, écouter un slameur à leur cérémonie, mm. mieux que d'autres disciplines. Donc voilà pourquoi chez nous, je dirais que ça va par rapport aux autres. Mhm. Et les festivals là-bas, parce que eux là-bas, chez eux, l'artiste devait être beaucoup plus sur scène mhm. qu'en audiovisuel. Mhm. D'ailleurs, le slam même, c'est la scène. C'est la scène, c'est pas l'audiovisuel. C'est pas ça qui caractérise le slammer. Le slammer, c'est la scène. Donc, comme la compétition n'est pas rude <laughs> hors de nos frontières, donc euh, je suppose que vous avez, euh, vous avez, vous avez eu des prix lors des concours La compétition est rude, elle est rude, elle est très rude, mais, euh, n'empêche, des concours, internationaux, mhm. je n'en ai pas fait. Mhm. Mais j'ai eu, j'ai été primé plusieurs fois. Par mhm. exemple, l'UNESCO qui m'a primé en 2020 au Cameroun en étant eh, parmi les dix meilleurs slammers les plus actifs du continent, de l'Afrique francophone. Et il y a aussi l'UNICEF qui m'a primé au Mali sur euh, un festival. Et j'en ai eu pas mal de, d'attestations sur euh, le continent parce que mhm. j'ai fait presque 14 pays sur le continent et voilà. Mais la concurrence, elle est très rude. <laughs> <laughs> D'accord. Alors, la mère dites-nous, qu'est-ce qui constitue aujourd'hui un obstacle dans ta carrière Obstacle. Euh, je pense que l'obstacle, c'est. C'est le, le, au niveau national. D'abord, euh, l'obstacle, c'est la situation avec le ministère mhm. et qui fait pas assez. Le ministère fait, mais pas assez. Et parce que quand elle ne fait pas assez, ça veut dire qu'il n'y a qu'une minorité qui en bénéficie et d'autres n'en bénéficient pas. Et il y a aussi euh, la cherté de, de la réalisation des vidéos, des sons, mhm. c'est extrêmement cher. Ça aussi, c'est un problème. Avant, je ne trouvais pas ça un problème, mais aujourd'hui que j'ai, j'ai aussi une famille conjugale, ah, un foyer conjugal que je <laughs> gère, je vois que c'est énormément de coûts, prendre énormément de coûts, mettre ça dans une réalisation audiovisuelle. Et généralement, on ne rentabilise pas. Les gens pensent qu'on, qu'on rentabilise, mais on ne rentabilise pas. On, ne fait, on fait juste pour être actif, pour que les gens nous voient, pour que les gens se disent que l'artiste est toujours là. Mais après, c'est ça l'obstacle, je pense. Et il y a aussi le côté, ça c'est entre nous les slameurs, euh, où la familiarité d'avant commence à perdre ses valeurs, on commence à vraiment se concentrer sur la concurrence euh, mm-hmm. qui n'a pas de sens. Voilà. Olga, vous avez tout à l'heure parlé de famille et j'ai pensé à une question. Est-ce que vous avez d'autres activités en dehors du slam Oui, je suis agent humanitaire. Mhm. Je travaille dans le monde des ONG. Euh, et après ça, je, je, suis un petit entrepreneur qui entreprend. Il n'y a pas de petit entrepreneur. Oui, bon, <laughs> qui fait son petit bout de chemin. Et voilà. Et voilà mes activités et l'art aussi que je fais. Mhm. voilà. Est-ce que, est que l'art, l'art, le slam, quand on prend le slam, est-ce que ça nourrit son homme ça, ça nourrit son homme. Moi, je dis que toute chose que tu fais, tant que tu l'aimes, c'est obligé que ça te nourrit. Mhm. Maintenant, après, il faut savoir être reconnaissant dire merci quand il le faut. Merci au Créateur, merci à ceux qui te tendent la main. Mhm. Mais l'art nourrit son homme. Le slam, en tout cas, nourrit son homme. Beaucoup. C'est le slam qui les nourrit. Mhm. Beaucoup d'entre nous. Oga, aujourd'hui, moi, je décide de me lancer dans le slam, quels sont les outils pour me parfaire Quels sont les outils pour être un bon slameur D'abord, il faut avoir euh, une capacité de réflexion, mhm. être vraiment, être en mesure de créer mhm. une histoire à tout moment, mhm. et aussi euh, avoir une notion sur la poésie, avoir une notion sur le slam, et aussi euh, les rimes, savoir agencer un texte. Voilà, pour parfaire, en tout cas, pour, euh, pour, euh, pour quitter de l'amateurisme à la perfection, il faut vraiment ces, ces, trucs que je viens de citer, il est faux. Il faut que le slammer euh, arrive à comprendre d'abord le slam et après, et surtout la scène. Mm, c'est un long processus. C'est un long processus mm-hmm. qu'il faut à un slameur pour vraiment devenir euh, ce qu'il veut, quoi, atteindre ses objectifs. Mm, est-ce qu'il vous arrive de former des jeunes qui aspirent à être euh, slammer Vous avez euh, déjà formé ou, Moi, ou coaché, je sais pas. Coaché, oui. Mm. Coaché, il y a les radios communautaires scouts mm-hmm. qui font appel à moi parfois pour coacher des, des scouts mm-hmm. en slam. Il y a aussi des écoles qui nous, qui nous appellent pour côté des, des... Mais former, non. Moi, je ne forme pas. Parce que je me dis que ça, moi, ça me reste beaucoup. Il y a ceux qui sont habilités à former. Mhm. Alors, à que direz-vous aux jeunes qui aspirent à dans ce métier D'être constant, d'être amoureux, d'être aussi humble et très respectueux. Parce que le slam, c'est un art qui a besoin de, d'une personne respectueuse, humble et endurante. Parce qu'il faut être endurant, surtout aujourd'hui, aujourd'hui en 2024, où il y a mhm. beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup mhm. de slameurs. Il va falloir d'endurance, de constance et d'amour. Mhm. Et Oga, que visez-vous Quels sont vos projets ou objectifs sur le long terme moi, c'est beaucoup plus euh, organiser des festivals au Niger, mhm. faire venir des gens. Mhm. Tout récemment, la semaine passée, du 19 au 24 février, j'ai fini un festival euh, qui n'est pas international, mais quand même qui a fait venir euh, un slammer gabonais. Mhm. Il venait juste de quitter le mardi passé. Donc, donc, il était là au pays. On a fait un festival en milieu scolaire qui touchait le thème de la violence en milieu scolaire. Mhm. Voilà, c'était ça, c'est ça mais mon ambition, mes rêves, organiser des festivals. Mhm. Voilà, bon vent à toi, Auguste Lameur, et merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau de Niger sur Kalangu et très bonne journée à toi. On fait une petite pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, c'est le moment pour nous fidèles auditeurs d'entamer la rubrique euh, rubrique hebdomadaire qui parle aujourd'hui éducation numérique. Nous sommes avec Ousmane. Bonjour Ousmane. Bonjour Guy. Ousmane Mahmoudou est le responsable du desk numérique du studio Kalangou. Cette semaine, nous allons parler d'un probable déploiement du Starlink au Niger. Un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment. Pour commencer, peux-tu nous expliquer ce que Starlink alors euh, bonjour euh, à tout le monde, euh, à tous les auditeurs. Mhm. Alors Starlink, c'est tout d'abord il y a en fait euh, quelque chose qui se passe actuellement en Espagne, mhm. à Barcelone, c'est le Mobile World Congress. Donc c'est tout simplement le plus grand rendez-vous euh, de tous les constructeurs de téléphones portables. Alors, il y a le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique du Niger, Sidi Mohamed Raliou, donc qui a rencontré une équipe de Starlink en marge justement du MWC, euh, le Mobile World Congress, donc de ce 26 février. Mhm. Alors, pour répondre à la question, c'est quoi Starlink Starlink, c'est euh, un projet du milliardaire américain euh, Elon Musk de la société SpaceX. Il vise en fait à fournir un accès Internet euh, à haut débit et à faible latence à l'ensemble du globe en s'appuyant sur une constellation de satellites autour de la Terre. Alors souvent, c'est ça que l'on voit la nuit. Euh, on a l'impression que ce sont les étoiles qui se déplacent, mais en réalité, ce sont ah, les satellites. Comme une étoile filante. Exactement, ah. c'est que les satellites de la constellation de, hmm. Starlink. Hmm. Donc l'entreprise a déjà déployé plus de 5000 satellites et vise à déployer un peu plus de 42 000 à terme. Et donc la constellation, elle est en constante évolution puisque la durée de vie, en ces satellites-là ont une durée de vie d'environ 5 ans chacun. Quelle est la situation actuelle de Starlink au Niger alors, le Niger n'est pas encore un pays de destination officielle pour Starlink, ce qui signifie que les équipements entrant dans le pays le, sont de façon frauduleuse, hein, que ce soit les antennes, les, antennes, les routeurs, les câbles, etc. Et donc le gouvernement nigérien a donc demandé à Starlink de, euh, de régulariser sa situation en obtenant une licence d'exploitation du réseau et l'homologation de ses équipements. Et Ousmane, quelles ont été les réactions à cette demande alors, Starlink s'est montré apparemment favorable, en tout cas de ce qu'on euh, a vu du reportage qui a été fait par la télévision nationale. Donc, euh, une réunion est prévue d'ailleurs ce 11 mars-là euh, entre les experts du Niger et ceux de Starlink pour amorcer le processus. Quelles sont les potentialités de Starlink pour le Niger Alors Starlink a le potentiel vraiment de révolutionner l'accès à Internet. Le Niger a une population jeune et majoritairement rurale et Starlink pourrait permettre euh, euh, de combler la fracture numérique. Au Niger, tout le monde n'a pas accès à Internet et de fournir un accès à Internet à tous. Même dans les zones les plus reculées, que vous soyez dans un village au fin fond du désert, mm. ça va fonctionner. Mais cependant, ces équipements restent relativement chers. Par exemple, j'ai suivi un peu le déploiement de Starlink au Bénin et les équipements, ça coûte environ 400 000 francs au lancement. Pour, pour, installer Starlink chez soi, il faut acheter des équipements qui vont coûter 400 000. et au-delà de ça, vous avez aussi des frais supplémentaires qu'il faut payer tous les mois. Au Bénin, c'était 30 000 francs. Il faut payer un abonnement mensuel, en fait, de 30 000 francs CFA tous les mois euh, pour, avoir, pour bénéficier de l'accès. Mhm. Et Ousmane, euh, cela pourrait-il avoir un impact important sur le développement du pays Alors, bien sûr que oui. Même si, euh, en fait, le coût d'accès est relativement élevé, il y a quand même des avantages, puisque si ça fonctionne, je le disais tantôt, vous avez l'équivalent d'une connexion fibrée. C'est vraiment comme si vous avez la fibre euh, optique, chez vous, à la maison, au village, au fin fond du désert. Vous êtes en voyage, ça fonctionne. Et donc, c'est très pratique. L'accès à Internet est un facteur essentiel pour le développement économique et social d'un pays. Et donc, Starlink pourrait contribuer à améliorer l'éducation, que ce soit la santé, l'agriculture et bien d'autres secteurs au Niger. Mais nous, vraiment, on espère que les coûts euh, baisseront pour le Niger si jamais Starlink est homologué On l'espère quand même. Ousmane, dites-nous, est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ces satellites euh, ces satellites qui peuvent s'arrêter de fonctionner Alors oui, je le disais tantôt, Starlink, les satellites de la constellation, ils ont chacun environ 5 ans de durée de vie. Et donc l'entreprise est critiquée pour son impact environnemental. Pour ça, puisque ces satellites s'arrêtent de fonctionner au bout de 5 ans, ça devient des déchets qui peuvent potentiellement être dangereux s'ils retombent sur Terre, parce qu'ils sont dans l'espace. Et donc ça, ça, a été démontré dans une étude de la FAA, donc l'administration de l'aviation civile aux États-Unis. C'est l'agence qui gère l'espace aérien et tout. Donc ils ont fait un rapport rendu public euh, ce 6 octobre 2023. Et selon les résultats, de cette évaluation le degré de perte, c'est-à-dire le nombre de personnes au sol, donc qui sont sur Terre, susceptibles d'être blessées ou tuées par ces débris qui, vont, qui tomberont du ciel, seront, serait d'environ 0,6 personnes par an. Alors 0, il n'y a pas une demi-personne <laughs> donc ça veut tout simplement dire que tous les deux ans, quelqu'un risque d'être blessé ou tué par ces débris qui vont tomber du hmm. ciel, malheureusement. Hmm. Donc, le Niger pourrait jouer dans la cour des grands avec Starlinks. Nous attendons alors le 11 mars pour connaître la suite. Merci beaucoup, Ousmane, pour ces informations autour de Starlinks. Euh, c'était un plaisir. À la semaine prochaine. Inch'Allah, bye bye. Continue notre voyage en amour avec le son à Conakry de Fiaxi. Fiaxi. La capitale de l'amour, ce n'est pas Paris, c'est Conakry. Là, tu peux beau chanter l'amour, il ne peut pas décrire ce que je vis ici. À Conakry, oui, oui, oui, à Conakry. À Conakry, oui, oui, oui, à Conakry. Je pense encore à tout ce bonheur que j'allais rater. J'ai hésité de quitter le Niger pour vivre à tête je mange, je mange, je mange le love à Conakry. Moi je mange, je mange, je mange le love à Conakry. À Conakry, Conakry, à Conakry, Conakry. Moi je mange, je mange, je mange le love à Conakry. Moi je mange, je mange, je mange le love à Conakry. L'artiste nigérien Fiaxi vit à Conakry depuis deux ans. Il a rejoint une femme dont il est fou amoureux et depuis lors, il ne veut plus quitter la Guinée. Cette belle chanson est un vrai hymne de l'amour. Nous lui souhaitons bonne chance pour sa carrière artistique. à la rubrique de région. Direction la capitale du Damagaram pour le gouverneur, où le gouverneur a interdit par arrêté l'introduction et la consommation de la chicha sur l'ensemble de la région. En effet, depuis quelques années, la consommation de la chicha dans le pays en général a pris une dimension inquiétante. Notre correspondant Ali Keita s'est intéressé aussi au sujet. Voici son reportage. Le narguilé, que tout le monde appelle communément chicha, est une culture arabe. C'est une pipe à eau utilisée pour fumer du tabac, Ajouté à d'autres arômes. À Zender, des chicha clubs ont vu le jour dans la ville, un endroit où les jeunes s'adonnent à la consommation de cette substance. Cependant, ils ont dénaturé la pratique selon les explications de M. Mustafa Hamissou, leader d'une association de jeunesse. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs et auditrices, nous poursuivons notre rendez-vous le Niger sur Kalangu avec du sport. Nous sommes avec Gourouza Hassoumi. Bonjour Gourouza. Bonjour Myriam, bonjour Rocky. Bonjour Gourouza. J'espère que vous avez pris le café matinal du sport. Euh, bien sûr. Merci <laughs> beaucoup. Brouza, pour commencer, parlons du foot régional, pris précisément à Tirozérine, de la région d'Agadez. La Sonichère Football Club, c'est le nom de leur équipe. Oui, effectivement, et Myriam, euh, le club de football de Chiro, malgré quelques années d'absence sur le terrain, a fait un retour remarquable dans le championnat. L'équipe a battu celle de Maradi en déplacement sur le score de 2 buts à 0. Notre correspondant régional sur place avec euh, Ahmed Félan s'est entretenu avec Boubacar Dan Mohamed, entraîneur de l'AS Sonichal. Nous l'écoutons. mun fara bana da cup national ruwa mace muka yi inda mu mun kaci su eh mun kai kalife cup national muka yi representant region da gare da mu da ekip guda ta garis da ake cewa bagazan don kuma kai premier su kai dezem bugu mu na farin na cewa kara ta bana a cikin shirin da mun kai dama an tashi da niyyar shirin insha Allah bana za a kama jiki sosai a yi aiki tunda kun jima ba ku yi activity bana harka sport ya ne kuka ji da kuka ci wannan matocin eh lalle abu ne wanda yake ya tada mana gari duk wa'anda yake masoyan balo ne yanzu sun maido kan kansu amma tabarkalla wannan abin da mun kai yara sun kai fi sibilillahi da kokarin biro na ASU Nishar da Maryamu duka yayi haske yayi kyau kowa ya goya mana baya mun yi murna sosai kuma wannan ayyuka na balo waɗanne matsaloli ne kuke gamawa matsaloli ba su wuce ka san yanzu eh, balo ta wuce yadda aka santa in kana ganin ta daga nesa ne kawai baka san abin da a ciki ba sai kana kawo korafin ana kaza ana kaza shi ko kai baka so cikin abin ba ka ga yaya abin yake shine muke kira ga kowa ya zo ya gani yadda wahalar da ake cikin shi wahala ki ga balo ta yanzu ba irin ta da bace da ake sani ana yin ta yanzu balo ce wadda take komi sai da kuɗi abubuwan aiki da balo da tsarin balo duka ya zama ake tunda in ka diba mu kullum in za mu tashi daga nan Allah dole sai mu yi hanyar mota zuwa Agadas alheri to duka ga ɗaukar yaunin yara ga ɗaukar yaunin motocin duka aiki ne wanda yake yana eh, buƙatar taimako wani kira gare ga hukumomi ko kuma proje wanda suna iya taimaka muku cikin wannan ta yadda ake lalle inda muka ji daɗin wannan abu ya kamata a ce eh, magabata namu na nan ga dukansu kowa ya sa hannu ya kama mana tunda ya yara na gida ne daga kowa yara nan ne suke inda sharaɗin da ta rage mana ba wani ɗoka haye yara muke ba ko ɗoko su muka daga wani wuri su zo su yi musallame su lokaci nan ne suke kuma kenan kowa ya kama mana sultu yanzu wanga kuma national inda an kai mun ka ta yi mu ne har zuwa maraɗi ga bana yaran mu akwai wanda ba su taɓa zuwa su yi balo a waje ba har suka samu jancan sun kaje waje a waje kuma yaran mu da yawa an ga yadda suke da ƙoƙari bisa in an kama musu gaba abin da za su yi na mun je mun yi balo da yan maraɗi babbar ekip ce tun da dezium take a shampiyona na na tamu ta Nijar kaga wadda take DZM ko mu bana muka taso muka shigo su ka gani har muka zo muka yi zero a can wajen su kenan mu ma namu yara kaga sun dauki experience a nan cewa har yanzu da sauran aiki kenan za mu shirya nan gaba insha Allah za mu yi eh, ataken shampiyona da za ta fara wasan dinga insha Allah. ne gurin ka game da wannan club kin ta son Guri na insha Allah abin da nake so bana da ja mun yi kalife cup national abu ne wanda yake na fara eh mun je mun representan a agres gaba daya da sunan kuma eh Ciro shine gurin mu yanzu shampiyona. Yanzu shampiyona bana nan insha Allah za a fara ta an yi calendar deja yanzu a cikin mu da za mu yi samdinga da mu da yan kawusan na agada su kenan shine muke son mutane su kama mana su kama mana gudunmawa su kama mana kokarin su duka wanda suka iya yi wanda za mu je champion ga ita ce gurin mu dama ita ce wanda za mu represente region da gare mu je wurin Monte an league National ka gani daga league Regional sai ka koma league National in yaso zuwa gaba etap par etap ne Gourouza, poursuivons notre rendez-vous sportif. Le coup d'envoi de la septième édition du Festival international d'Okin Iska dans c'est aujourd'hui. Oui, j'aimerais aller euh, dans le Courfey, là, parce que vraiment, <laughs> j'aimerais assister à ce festival, mais eh, quand même, il y a une de nos équipes qui est là-bas. Oui, c'est un événement qui se déroule chaque année qui regroupe plusieurs acteurs qui contribuent au développement du sport de la localité. C'est un événement qui a pour objectif de contribuer à la promotion du développement social, économique et culturel des départements d'Abalaf, de Filingué et de Balera. Voilà, euh, Ruki, voilà, Myriam, voilà pour le sport. Merci, Gourouza. Ruki, revenons à la République Éco de Région. Oui, direction la capitale du Damagaram où le gouverneur a interdit par arrêté l'introduction et la consommation de la chicha sur l'ensemble de la région. En effet, depuis quelques années, la consommation de la chicha dans le pays en général a pris une dimension inquiétante. Notre correspondant Ali Keta s'est intéressé au sujet. Voici son reportage. Le narguilé, que tout le monde appelle communément chicha, est une culture arabe. C'est une pipe à eau utilisée pour fumer du tabac ajouté à d'autres arômes. À Zender, des chicha clubs ont vu le jour de la ville, un endroit où les jeunes s'adonnent à la consommation de cette substance. Cependant, ils ont dénaturé la pratique selon les explications de M. Mustafa Hamissou, leader d'une association de jeunesse. ita shisha batar doka da ta hana shanda amma abin da ya sa makasudin hana shanda wannan a cikin da ake cakula da wiwi a ƙasa a sa wani abu ko madarar su guda ya ko ruwan giya mutum ya sha ya maye ga ga nikotin na shisha ga na wuyi ga na wani abu da aka sa a cikin ruwan ka gani abun ya zama wani babban abu kuma Depuis le phénomène du palais dans les années 2011-2015, une association de lutte contre la consommation de stupéfiants a été créée. Le président de la dite structure, Amadou Faye Abdou, indique que des campagnes de sensibilisation sont menées afin d'éradiquer ce phénomène. Nous sommes là pour ce travail de sensibilisation de la jeunesse pour leur sécurité, pour leur en tout cas un avenir radieux. Et nous ne voulons pas que cette jeunesse tombe dans un piège où elle ne va pas s'en sortir. Parce que c'est nos enfants, c'est nos petits frères. Donc nous avons une obligation morale de les encadrer. Dans le cadre de cet encadrement que nous avons créé cette association, nous permet aujourd'hui d'intervenir sur l'ensemble du territoire national. Au vu de l'ampleur de la consommation de la chicha, le gouverneur de la région a interdit son introduction et sa consommation dans la région. Le président du Conseil régional de la jeunesse félicite la décision. Nous saluons très sincèrement cette décision que le gouverneur a eu à prendre. Et nous invitons toutes les régions à prendre cette décision pour vraiment éradiquer cette euh, nouvelle façon de filmer. Cette décision, il faut qu'elle soit accompagnée par des sensibilisations, d'abord dans les différentes fadas et si possible même pourquoi pas organiser une caravane de sensibilisation à cet effet. En tout cas, la prise de la chicha n'est pas sans conséquence sur la santé humaine, explique Abdelmajid Ousseni, sociologue. La chicha, en tout cas pour celui qui la consomme aussi, euh, elle a des substances cancérigènes, des substances irritantes et qui, à la longue, en tout cas, peuvent euh, vraiment contribuer, associés à d'autres facteurs biologiques, pour donner des maladies cardiovasculaires, pour développer l'asthme chez le consommateur, associés à des facteurs génétiques aussi, ça peut accélérer le diabète. Cette perception euh, des jeunes, donc en tout cas, il va falloir en tout cas vraiment les sensibiliser pour qu'ils comprennent que euh, la chicha est vraiment elle est nuisible. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, une seule séance de chicha a le même impact sur la santé que le fait de fumer 20 ou 30 cigarettes. Toutefois, depuis l'arrêté du gouverneur, les chicha clubs ont été fermés et dans les rues de la ville, les jeunes fumeurs se font discrets. Aujourd'hui, pour le portrait Ruki Zuma, c'est une griotte des Falmer, région de Dosso, au nom de Fatima Mouni. Elle joue sur euh, elle joue du Kalangu un héritage de son père. Malgré qu'elle soit une femme, cela n'a pas été un obstacle pour elle. Oumu Mourou l'a rencontré, on l'écoute. wati din kai go wandiyo ai baba no ga hare kan tu kwaro makada to ganda hare ya ganda hare no nan kulu kan akwai indano si tu da sino ai kulu kan tu ai ne gake ba fe yanno ai no ga hun kunnan kai gwegu wan hare da ba ba bai fo fone wonde tunda a sai ne tunda ware ton ai te ngware ko ai wai man don dai ko ngatara ko hun kun mu akka ne go falmai falmai la bo me da me sinnan kai ka ne ba hauki ne i mai ganja ba zari follun kuma mai ne bo san budan ganga wallahi ba ina ine forma ka wai boye da kerno ai ga tai banda fa amma sai dan ai ga bayin fi wacce sai ya dinga ga ga sabu mu falmai kwara me da me sai ir ko mi no ngai burkin tadin albaraka radio kalangumo ngai wai ba ma bona ga so nan kulkai di hare kare burare nuwa ba tare ne koi zaman gai ne gabai fatuma so mat non te gwan hare kariyan ai baba no ga kar ai gai baba banda wata hinna sai wai bureza sun dizi gunai ga wani don ai kudde kan alburga ta gunai no da alkai bon sai hunkuna ai no ka tai bon sai ai kulkin alburga ta kunne ga wana zaman hinna na sai son hijai do ni ga koi dondon kar wallahi wati ne ga koi kan wati ni ganda hare fuka sai sandan da bora hijia zuddi ni ginai biya ka hare kadni iza boba gona kanu ni ngai sandan kar ai bai ka hare kan margado yakin hai don kar yan wo zani gona jirmar gina sintin kala karbata yido wallahi ai to yiri hakkuci ne kai sintin kara ai kuna sabai ku adama kidon don ko on kurma albarka rane go wallahi son wadai mu koi butuwa kine mu wari ka faranti faranti ai skan badan zaramu do kuma wallahi kadai kai sai wani a singa te indem kan badan kedo de man kita ali fora fa mata matakai ni garai bai eh, gidan ni birandin ni yana mu ni birandin da zama gai nan gobai no su gindu gomni kan duwara a sinda kai man duwara wurin dai sai hau wallahi haranai duwa wundo ka go dono kare wora wallahi haranai duwa hun kuna hun kun da marga te indem har mu kai har sambo kai wallahi kun kunai duwara alhamdulillah wallahi ay si kon kai sabu be se kula ro kar ne bu don don ga lo wallahi wata ga ne bon wono to sun han sai nan dini aka hare kare ga te dudin halai ga te hale ga dunga wono kula gudu kinin kin hinza la bo sun wo don kai sara ay hinnano dai ga du hanga sinu ba han kula gida samu wai bor mo suka afral boyra ka don don kar inga te misala na mai do hare ay ga ba don don kare dan ga izai izai kan go da yan kan go ga yamma ko yan ai te ingai fatauki dini sai yan gai ba batu bai mu sun hare kare kulkan burga bai labora ai ga ba imi ingai izai dan hare kare yan gai mu kan ba ibu igruba kan ari fo te dangai ni imila kan hare kare go gaban ga su kare go gaban fo ku gaban ma so ko ye kan da ko ne bai kulme ye kan namu ga ir ko talibo dai kul kan ne gaina mai furu kulme ye kan gaina mai ga gano in dunya ga tonton hay kul kan bote imene sirkuno gar mo zari kai kai no ente kana hindu nya ga mai ki zai tare no me ke ki Chers auditeurs, un dernier tour en musique avec le son 227 à Tuling de Barakina, Hakim et Abel Zamani. Ah, ana ta yi ana ta yi ana ta yi ana ta yi muna ji muna gani ana muna gani suna ta suna ta suna ta suna ta yi ka kuka hana kai t'es mal feeling t'es mal le mal killing t'es mal le mal feeling t'es mal bling bling de de ce chilling t'es mal le mal feeling t'es mal le mal killing t'es mal le mal feeling t'es mal bling bling de de ce chilling t'es mal tom alaikum wasu ba son su gan sun fi son su gan mun jere taya wasu ba son garin su sun fi son su kawo bako garin mu su ba shi tuwo da nama su kama mata ma ya danne a ba shi kuɗi da mota ya koma can gidan shi ya zamana su ci da ɗiyan makwabta su bar 'yan gidan su ma da yunwa et Allah. T'es mal, t'es mal, t'es mal. Niquer le best comme pas parler. Le 24 octobre, on va inhaler. Pas ah. de défilé, ah. on va s'enjailler. T'es mal le feeling, t'es mal le. T'es mal le killing, t'es mal le. T'es mal le feeling, t'es mal le bling bling de de cette killing, t'es mal le. T'es mal le feeling, t'es mal le. T'es mal le killing, t'es mal le. T'es mal le feeling, t'es mal le bling bling de de cette killing, t'es mal le. Bibi, pourquoi il gagne mon nez? da an get the money. Get the money. Up and down na I keep kuke so na iya Beat to all my people Kun goda mini so na gode Ku believe it mun za ku shakata ku wala In ku wala mu wala A timbara kina bel zamani 227 chilling Sample some VIP 227 chilling 227 T'es mal le feeling de t'es mal le T'es mal le killing de t'es mal le T'es mal le feeling de t'es mal le Bling bling de de cette killing de t'es mal le T'es mal le feeling de t'es mal le T'es mal le killing de t'es mal le T'es mal le feeling de t'es mal le Bling bling de de cette killing de t'es mal le T'es mal les way T'es mal à ce là T'es mal à la force Hugo t'es mal le geste Ça c'est le gala Toi et ta go tout est galant forcé L'ambiance sera bien déversée Succès fou à la bisson à bisso le livre sera hissé, quand tu peux nous trouver dans les vaisseaux. Et la concurrence verra la vaisselle, ça c'est le vénère. Où sont le bison Le 24 le sort sera brisé. Et tout est pressant, bébé tu connais. 900 cricas dans la chapeau. Les douze que pris sont dans le viseur. Les gros de cette c'est la maison. T'as pigé. Anataï, Anataï, Anataï, Anataï. Monaji, Monagani, Anataï, Monagani. Sunataï, Sunataï, Sunataï, Sunataï. Asaka Kuka ahanakei. T'es mal le feeling, t'es mal le T'es mal le killing, t'es mal le T'es mal le feeling, t'es mal le bling de de cette chilling, t'es mal le T'es mal le feeling, t'es mal le T'es mal le killing, t'es mal le feeling, bling de 227 Chilling de Barakina Hakim et Abel Zamani. Il est 11h passé de 53 minutes. C'est le moment pour nous de retrouver les femmes du studio Kalangu pour la rubrique Loti. Oui, Ruki, pour se sentir belle et bien dans sa peau, la femme a besoin d'une hygiène corporelle particulière. Prendre soin de son corps avec un budget restreint, c'est possible. Les détails avec Arabia euh, Mekano et Hawa Ousmane. gora wai kin san da rayuwar mace ba ta yi wahe da tsafta kin sani ko kenan ya kamata mu yi hattara gaskiya tun da kana shiga mutane kana tahiya sabga jikinka yana wani iska mara daɗi hmm, abun kubiyan ma kana da mai gida yana gudunka <laughs> yawa ai ba ma mai gida kaɗai ba ko kai kanka wata rana iskan jikinka yana damunka to ina mahuta tun da gaskiya dai muna bakin yin mu wankan muna yi sahe da maraice har da yamma ai wankan wannan kaɗai ba ya isa tun ba a wannan zahin ba akwai abubuwan da ya kamata a ce suna tare da ki a ko da yaushe kamar su lemun tsami da su tahi amarya kamshi kin ga kamar kahin ki wanka kina iya ɗaukan wannan lemun tsaman ki raba shi biyu ki haɗa shi da tahi amarya kamshi ki goga su hammatanki da duk lungunan lungunan jikinki ki jira minti ɗaya ko biyu sannan ki shiga ki take ki to insha Allah sai kin yi ban kwana da iskan jiki hmm, babu shakka tun ba ma in kin sa tuwahin ki wankaki kika shaho turaren ki ko ma wani iri ne ko na nawa ne ma ki shaho shi ke ma zaki ji daɗin jikin ki lalle gora mini sai kuri a'a kawali na ce miki rangwada ba ta karewa kawai kina rangwada ki shiga inda kike so jikin ki tsaf ba ruwan ki Merci les filles pour le conseil. aujourd'hui de la rubrique culture linguistique, Abdelmoumouni Yali va nous expliquer l'acronyme ONG, c'est le mot de la semaine, à l'occasion de la journée mondiale des ONG célébrée le 27 février. Bonjour Yali. Bonjour Mariam. Alors, euh, dites-nous tout. Donc, euh, en culture linguistique, comme vous l'avez annoncé, il s'agissait de l'acronyme ONG cet acronyme a été déjà expliqué en anglais, en français, en germain et en hausa. Aujourd'hui, mm -hmm. ce serait en fulfulde. Mm -hmm. Donc, uh, acronyme kan woni ko wiyete ong ɗum andan ko bawɗen nanditirde ɗum kan woni pelle naabi en fedde waddanande himbe balla ko watta duni fa hannde ɓe keɓa koyirnam nder burnam maɓɓe misali wakkati gar he mabbe gulu hite ladde nane mbiyen bonondaji ndiyam wakkati dungu ko wawi warde e himɓeɓe endan ong ji ɗi endan na mbi en pelle ɗe duni fa handen pelle noon laatiɗe no ballira du fa hande himɓe golla heɓude ko gaɗa keƴora duke duni fa hande nder burda mu'en pelle ɗe enden no tittinkinidi un fa handen ko watta yahdu heɓo nder cakantaraji ɗeenda ha firtude ko e himɓe misali ɗo enden eɗen goodi fedde leyɗe duniyaru wiyetene ms MSF, Médecins sans frontières, et Nandi tita Voilà tout pour euh, aujourd'hui. Mouni, comment on dit merci en fulfulde Mietti. Mietti, <laughs> Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en haoussa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez surtout pas à laisser un mot au 82 89 89 64. Écoutons à présent les messages de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. niger studio kalangu ɗari bisa ɗari a dangance da rayuwar birni da ta karkara kuma tana taɓo hankula akan 'yan birni kuma da mutanen karkara musamman ma bangaren abin da ya shahi waye kai akan menene zan yi in gana <clears throat> ruwa kai na asiri bangaren sana'o'i da ma aikace-aikace kuma da ma kiwon lahiya hakika tana taka rawa muna ji kullum muna saurara to mu gaskiya gurbi ya kamata ta buɗe na irin sauraren su da ya kasance wasu ƙasashe wasu gidajen radika suna ba da dama kamar a rika kiran su kai tsaye ko kuma a rika tura musu sako ta shafin su na facebook da ma na group na whatsapp da farko zan kai gaisuwa ta ga president kin namu Muhammad Salisu da Zuma shine shugaba na masu kiran sauran radio na Afirka na jihar da magaram kuma da babban wanda yake shine na babban kungiya Alkasim Babalima ina gaida shi Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Rukai Top Draman et Mariam Adey. Le rendez-vous est pris pour demain avec Seno 50% et Rabia Mekano. D'ici là, ne manquez pas la suite de nos programmes à 17h sur les zones de nos 50 radios partenaires.